Chers auditeurs du studio Kalangu, vous qui nous suivez sur les ondes de nos radios partenaires, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangu. Je suis Fanta Chamsou et aujourd'hui je suis en compagnie de Ruketo Abdurrahman. Bonjour Rukaya, comment tu vas Bonjour Fanta, je vais très bien. Nous tenons aussi à faire un coucou à la talentueuse équipe qui nous accompagne tout au long de cette émission. C'est Nisaka à la technique et Adam Adawachi à l'édition. Alors, Fanta, quel est le programme du jour Au menu ce matin, il y aura le flash d'informations, comme d'habitude, de la culture linguistique, la page sport, la rubrique hebdo sur l'entrepreneuriat. Et comme chaque vendredi, vous aurez aussi la revue de la presse. Et de la partie entretien du jour, notre reporter Habibou Garba s'est entretenu avec Ismailou Hammi Mohamed Rabiou, vice, premier vice-président du Conseil de la jeunesse de la ville de Zender. Installez-vous confortablement, l'émission Le Niger sur Kalangou, c'est maintenant. Place à l'essentiel de l'actualité avec notre incontournable moment d'information. Accueillons Mokhtar Hamadou pour le Flash Info. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Fanta. Bonjour Rukayatou. Bonjour Mokhtar. Le flash d'information à présent que nous débutons avec cette bruit diplomatique entre le Niger et le Bénin. Une semaine après leur arrestation à Cotonou, les cinq agents nigériens de l'entreprise chinoise Wakpo en charge de l'exploitation du pipeline export Niger-Bénin à mission à Cotonou ont été présentés hier au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Après audition, trois ont été inculpés, dont la directrice générale adjointe, Madame Amina Hadiza Ibra, pour fausse attestation et usage de fausse attestation et placé sous mandat de dépôt, alors que les deux autres ont été libérés. Ils seront jugés la semaine prochaine, selon une information rapportée par Actu Niger. Le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique, Sidi Mohamed Raliou, a officiellement lancé mercredi 12 juin les activités du diagnostic de l'économie numérique du Niger. Cette initiative s'inscrit dans une série de politiques visant à transformer numériquement le pays en s'attaquant aux facteurs de fragilité en renforçant la résilience, l'inclusion et la création d'emplois. Ce programme bénéficie du soutien du groupe de la Banque mondiale dans le cadre de son initiative continentale visant à opérationnaliser la stratégie de transformation numérique de l'Union africaine. L'objectif est de garantir à chaque, que chaque individu acteurs, entreprises et gouvernements africains possèdent les capacités numériques nécessaires pour contribuer à sortir l'Afrique du sous-développement d'ici 2030. Les responsables de la Nigérienne des eaux NDE en abrégé et la Société euh, du patrimoine des eaux du Niger, SPEN, ont conjointement organisé une séance d'information suivie d'une visite guidée des installations de la station du traitement d'eau potable de Goudal à Cette initiative avait pour objectif euh, d'informer les médias sur les défis posés par la turbidité élevé de l'eau brute du fleuve Niger après les premières pluies de la saison, ainsi que les efforts déployés pour rétablir une distribution normale. Déjà, plusieurs quartiers de la capitale font face à une pénurie d'eau potable en cette période de forte chaleur. Et c'est tout pour le flash d'information de ce vendredi 14 juin 2024. Merci Mokhtar. Chers auditeurs, comme annoncé ce matin, nous allons suivre un entretien que nous a accordé le premier vice-président du Conseil de la jeunesse de la ville de Zender, Ismailou Hami Mohamed Rabiou. Mais avant, nous allons d'abord faire un premier tour en musique, n'est-ce pas, Ruki Bien sûr, Fanta, et ça sera avec euh, le son Vidi Viki de Big Fadi. my heart it sings. Like a bee, I give out honey and I sing. I use self defense when you overlook the sweet I bring. And I like to think that my wings, they are fly like me. Cause my ring so high, I'm like the leader of your. son vrai nom, Fadimatou Hassan Mossi est artiste compositrice nigérienne basée à New York aux États-Unis et étoile montante de la musique moderne. La jeune rappeuse a, qui a débuté en 2015. Et c'est en 2019 qu'elle sort son tout premier single Slow Down. Et de là, c'est parti pour un bon début de carrière artistique. cueillir. I gave my soul, I conquered, and I gave my all to the higher power. Veni vedi vici, na zona ganina inasana, eka edi enile, and I gave my all to the higher power. Veni vedi vici, just even you au studio après cette belle sonorité pour entamer la première partie de l'entretien du jour. Ici Ismailou Hammi Mohamed Rabiou, premier vice-président du Conseil de la jeunesse de la ville de Zender, parle des défis que leur association élue il y a juste quelques mois compte relever. Il est au micro de Habib Garba. Aujourd'hui, en tant que euh, membre du conseil des, jeunes de la ville des Anders, quel est le défi que personnellement euh, vous, euh, vous comptez vraiment relever Alors, en ce qui concerne ce poste que nous occupons dans le conseil de ville de la jeunesse, les défis que nous comptons relever sont vraiment énormes. sont vraiment énormes. Mais je dirais que le premier défi, c'est ce défi-là de conscientisation de la jeunesse. Je pense que c'est vraiment le plus grand travail qui est devant nous. Parce qu'il faut euh, travailler les mentalités de nos camarades, il faut euh, accélérer ou accentuer en tout cas les débats pour que nous puissions d'abord prendre conscience de notre rôle ou de nos rôles, de nos responsabilités dans notre patrie qui est le Niger. Parce que le véritable problème que nous sommes, auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que la jeunesse n'a même pas pris conscience. Elle ne se reconnaît pas. Parce que se reconnaître étant jeune, c'est savoir ses forces et ses faiblesses, c'est comprendre que nous sommes en réalité la colonne vertébrale de ce pays-là, comme on le, dit, que nous sommes l'avenir de cette nation. J'estime que c'est le grand travail que nous avons à mener. Parce que si nous arrivons à comprendre cela, j'estime que les autres défis, on peut facilement les résoudre. Quand vous prenez la question de participation politique des jeunes, qui, jusqu'à preuve de contraire, les jeunes euh, seulement nous sommes utilisés comme étant des bétails électoraux. Euh, mais ça, quelque part, il faut le reconnaître. Moi, personnellement, étant jeune, je le reconnais, que c'est quelque part lié à, cette à ce faible niveau d'instruction des jeunes, à ce faible niveau de formation. Parce que les jeunes doivent véritablement s'imposer. Un jeune, s'il ne peut pas participer à la construction des projets de société dans sa formation politique ou dans une association quelconque, tant qu'il ne peut pas s'imposer avec des idées, c'est bien normal qu'il puisse être mis à l'écart. Mais tant que tu, es dense d'esprit, tant que tu récoltes un certain nombre de bagages, tant que tu parles, quand tu parles dans ta formation politique, tout le monde t'écoute. Tu développes, tu argumentes, tu apportes des idées. C'est-à-dire tu représentes un plus pour la formation, tu ne représentes pas plutôt un poids. C'est tout à fait logique que la formation puisse œuvrer, puisse travailler avec toi. Et donc c'est pourquoi j'estime que et quand nous allons faire ce travail auprès de la jeunesse, si elle arrive à prendre conscience euh, de son poids, elle va se lancer dans cette instruction. Que voulez-vous dire par instruction l'instruction, c'est vraiment l'auto-formation. Les jeunes doivent lire, les jeunes doivent aller à la recherche du savoir et j'estime que c'est la meilleure des stratégies pour que les jeunes puissent s'imposer. Même la question de l'exclusion sociale, une autre préoccupation qui inquiète aujourd'hui la jeunesse nigérienne il faut le dire, quelque part, c'est euh, lié à l'absence de ce cadre-là entre les aînés et nous autres jeunes. Jusqu'à aujourd'hui, il y a cette faible tolérance de la participation politique des jeunes ou de notre faible, de notre participation à même toutes les instances de prise de décision. Et même quand vous prenez l'histoire sociopolitique du Niger, c'est qu'il y a eu beaucoup d'années, les deux décennies en arrière, il n'y avait pratiquement pas de jeunes dans le gouvernement nigérien. Et c'est parce que jusqu'alors, on considérait les jeunes comme étant immatures, euh, dans une certaine mesure quand même étant des disciplinés, et qu'on devrait rester derrière pour apprendre. Moi, j'estime qu'on a vraiment assez appris et que les jeunes sont aujourd'hui en train de faire preuve. Aujourd'hui, tant que vous allez donner une responsabilité à un jeune, vous ne serez jamais dessus. Les jeunes, c'est le moment le plus opportun pour que nous puissions nous imposer et apporter notre plus au développement de ce pays. Alors, euh, quels sont vos résultats attendus d'ici la fin de votre mandat qui a commencé en janvier dernier Quel est vraiment votre souhait aujourd'hui On dit, après le départ de Intel, quand il a été vice-président, voilà ce qu'il a laissé comme trace au sein du Conseil euh, de la jeunesse de, euh, de la ville des Andes. Alors, nos résultats attendus, c'est d'abord cette unité entre les jeunes. Que les jeunes de la ville deviennent soudés. Tant qu'on va rester unis, alors nous allons demeurer très forts. Et c'est de cette force que va jaillir la résolution de tous les défis dont je venais de faire cas. Tant qu'on va rester unis, alors on va continuer, on va euh, perpétuer les cadres du débat. Et c'est dans ce débat-là que nous allons euh, comprendre véritablement tous les défis auxquels nous faisons face et en même temps proposer des pistes de solutions que nous allons ensemble essayer de mettre en pratique. Ça, c'est vraiment le premier résultat euh, attendu dans notre mandat. Alors, le deuxième résultat qui est attendu, c'est véritablement pour essayer, dans une certaine mesure, de remédier à cette problématique assez majeure liée au sous-emploi et au chômage des jeunes. Parce que c'est un grand problème. Les jeunes sont désœuvrés. Et tant que les jeunes ne sont pas occupés, ils deviennent un poids, ils deviennent plutôt même un danger pour la société. Et nous, actuellement, le travail que nous sommes en train de mener, c'est celui de contenir cette jeunesse. Parce que cette jeunesse qui n'est pas occupée, tant qu'elle n'est pas contenue, elle va exploser. Et quand elle va exploser, c'est toute la société qui va récolter les pots Et c'est pourquoi, aujourd'hui, dans tous les cinq arrondissements communaux de la ville de Zander, nous sommes en train de mener des campagnes de sensibilisation. Dans les quartiers, dans les maisons, dans les écoles. Partout, c'est des campagnes de sensibilisation que nous sommes en train de mener pour véritablement contenir cette population. Et nous travaillons en synergie avec même les parents. Parce que les parents aussi ont une grande responsabilité pour nous aider vraiment à, à contenir la jeunesse. Vous venez d'écouter Ismailou Hami Mahaman Rabiou. Il est premier vice-président du Conseil de la jeunesse de la ville de Zender au micro de Habibou Garba. Avant de revenir sur cet entretien, nous allons d'abord accueillir Nafisa Damou pour la revue de la presse. Bonjour Nafisa. Bonjour Kaya, bonjour Fanta. Bonjour Nafisa. Bonjour à vous. Alors, à la une du journal Niger Actu, on peut Actu Niger, plutôt, on peut lire euh, Crise Niger-Bénin. Trois agents nigériens de WAPCO inculpés et placés sous mandat de dépôt à Cotonou et deux autres libérés. En effet, arrêtés depuis une semaine à Cotonou, les cinq agents nigériens de l'entreprise chinoise à WAPCO en charge de l'exploitation du pipeline à export Niger-Bénin en mission à Cotonou ont été présentés ce jeudi 13 juin 2024 au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Cela du Niger, après audition, trois ont été inculpés, dont la directrice générale adjointe, Mme Al-Kassoum Hadiza Ibra, pour fausse attestation et usage de fausse attestation est placé sous mandat de dépôt à Cotonou et seront jugés la semaine prochaine alors que les deux autres ont été libérés. Pour Cotonou, il s'agit d'une procédure judiciaire normale, mais pour Niamey, cela entre dans le cadre, je cite, des manœuvres dilatoires du président Talon dans sa calable pour cabale, autant pour moi, pour déstabiliser les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie avec la complicité de la France. de citation. Pour rappel, les cinq agents nigériens ont été interpellés mercredi 5 juin dernier sous la plateforme de Semepoji à une trentaine de kilomètres de Cotonou par les autorités béninoises qui les ont accusés d'être frauduleusement introduits sur le site avec des faux badjas. Poursuivons cette revue de presse à rétablissement des peines d'emprisonnement pour cybercriminalité au Niger, nous apprend le journal en ligne Air Info. Et oui, selon un communiqué du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le chef de l'État, le général Abdrahman Chani, a signé le 7 juin 2024 une ordonnance modifiant la loi 2019-33 du 3 g 2019 relative à la répression de la cybercriminalité au Niger. La modification opérée par l'ordonnance vise d'une part à rétablir l'équilibre entre la liberté d'expression et la protection des droits individuels et d'une autre part à préserver la tranquillité et la sécurité publique. En effet, cette ordonnance prévoit par conséquent une peine d'emprisonnement d'un an à trois ans et une amende d'un an à 5 millions, d'un à 5 millions de francs CFA pour toute personne reconnue coupable de diffamation ou d'injure par un moyen de communication électronique. La modification prévoit également une peine de prison de 2 à 5 ans et une amende de 2 à 5 millions de francs CFA en cas de diffusion de données troublant l'ordre public ou portant atteinte à la dignité humaine. Il est à noter que la loi reprimant la cybercriminalité avait fait l'objet d'une modification en 2022 supprimant les peines d'emprisonnement pour diffamation, injure et diffusion de données troublant l'ordre public ou portant atteinte à la dignité humaine et ces peines avaient été remplacées par des amendes. Les problèmes d'eau à Niamey, la NDE e et la SPEN expliquent les raisons des perturbations et annoncent des mesures. Nous prenons le journal gouvernemental de Sahel. C'est au niveau de l'usine de Goudel que les directeurs généraux de la Nigérienne des eaux et de la Société du patrimoine des eaux du Niger se sont réunis hier matin pour apporter des éclaircissements sur les réseaux de la pénurie d'eau constatée depuis un certain temps dans la ville de Niamey. Selon le directeur général de la Nigérienne des eaux, cela est dû à la venu d'eau brute très chargée qui survient chaque année en début de saison, mais cette fois-ci, ce phénomène est arrivé précocement et avec peu d'acuité. De son côté, le directeur général de l'ASPEN, M. de Munkela, a souligné, je cite, que les usines de traitement de l'eau de Goudel et de Yantala sont approvisionnées en eau brute à partir d'un seuil qui, à un moment donné, nécessite d'être complètement rempli. Malgré les difficultés du traitement de cette eau, l'arrivée de cette crue annonce également un soulagement. Ainsi, les deux directeurs généraux ont rassuré que leurs équipes ne sont pas inactives car elles ont élaboré un plan d'action conjoint comprenant des activités importantes qui sont déjà en cours. Des interventions au niveau du bassin de prédécantation est envisagée car le dispositif est conçu pour recevoir de l'eau prédécantée en provenance des usines de traitement plutôt que l'eau brute directement pompée du fleuve. Ces opérations sont également en cours au niveau des postes d'adduction de la ville Concours plus le Sahel. Ici prend fin donc à cette revue de presse. Merci beaucoup Nafissa et bonne journée à vous. Je vous souhaite pareil. Chers auditeurs, poursuivons à présent avec l'entretien du jour. Dans la deuxième partie, Ismailou Hami Mahaman Rabiou, premier vice-président du Conseil de la jeunesse de la ville de Zender, partage avec nous les pistes de solutions au problème du chômage des jeunes, mais aussi leurs attentes vis-à-vis des autorités en place. Il est toujours au micro de Habibou Garba. Parlant de la problématique de l'emploi, que faites-vous pour aider la jeunesse Pour vraiment trouver une issue à ces jeunes-là qui sont désœuvrés, pour beaucoup qui sont en situation de sous-emploi, parce qu'il y en a beaucoup qui sont obligés de déclasser leur diplôme pour se trouver quelque chose, au moins pour arriver à se prendre en charge. Nous estimons qu'il faut un développement local, des stratégies de développement local. C'est vraiment révolu, cette époque où il faut toujours compter sur les ressources euh, naturelles, où il faut toujours compter sur le politique au niveau central. Non, nous avons besoin des autorités au niveau local qui vont créer des choses pour, euh, en tout cas, euh, prendre le plus grand nombre de jeunes localement et leur trouver de quoi faire. Et on peut le faire. Il y a beaucoup des initiatives que nous pouvons mettre sur, place. Par exemple, quand vous prenez la question des citernes là, qui viennent à la Soraz et qui sont en train de garer partout dans la ville de Zender. On peut créer un parc, un grand parc où on peut recruter plus de 1000 jeunes qui vont venir euh, servir dans différents secteurs, etc. etc. C'est ce que nous désirons. Quels sont les autres secteurs à promouvoir Au niveau local, on peut aménager des espaces à que les autorités puissent trouver des semences améliorées, qu'on puisse recruter des jeunes. Parce qu'on ne doit pas laisser ce secteur primaire-là. Le secteur primaire tel que l'agriculture, on ne doit pas les abandonner. Quand vous prenez 83% de la jeunesse nigérienne, elle est dans le secteur agricole. Ça, c'est selon les chiffres de l'INS. Et les mêmes chiffres ont été confirmés par la Banque mondiale, qui a dit que même l'emploi, toute la promotion de l'emploi faite par l'État du Niger, entre 2015 et 2019, l'emploi agricole a représenté 70%. Ça veut dire que les jeunes sont dans ce secteur. Donc, il faut promouvoir ce secteur pour véritablement prendre en charge les préoccupations des jeunes. Et ce que nous désirons, en tout cas d'ici euh, la fin de notre mandat, cette unité. Euh, en finir avec ce problème euh, d'emploi ou de sous-emploi ou de chômage des jeunes. Aussi, les autres problèmes connexes, la question de cette pauvreté extrême qui tue les jeunes. Les jeunes sont assez pauvres. La consommation des stupéfiants. J'estime que ça, c'est des, en tout cas, c'est des conséquences hein, de tout ce que nous venons de voir comme défi. Tant que nous allons essayer de les résoudre, nous allons en finir. Quelles sont vos attentes De la part de l'État au niveau central, c'est de revoir la formation de revoir carrément la formation. Notre système éducatif doit être revu en intégralité. Parce que c'est même un système qui fait la promotion du chômage. On est en train de former quelque part. Or, le besoin est tout autre. Il faut revenir pour cadrer les choses, pour vraiment recadrer les choses. Et nous, nous avions même proposé à ce qu'il est ce qu'on appelle le développement plutôt des compétences. Vraiment, il faut aller vers le développement des compétences. Que ces jeunes-là, qu'on puisse les encadrer après le CFEPD ou après le BPC, c'est largement suffisant. J'estime que là, les jeunes doivent être guidés sur des, des spécialités. Qu'est-ce qui nous dit qu'il faut forcément former euh, en, en, littérature, forcément former en philosophie On peut former en menuiserie bois, on peut former en coiffure, on peut créer tant de filières pour former des jeunes qu'à la fin, ils puissent sortir avec des compétences qui peuvent leur permettre quand même de créer quelque chose, même s'il faut. L'engagement entrepreneurial, même on est en train de chanter, c'est comme ça qu'on peut facilement le mettre en pratique. Voilà, c'était Ismailou Hami Maman Rabiou, premier vice-président du Conseil de la jeunesse de la ville des Enders. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, il est temps de plonger dans le monde inspirant de l'entrepreneuriat avec notre rubrique hebdomadaire. Oui, Fanta, la rubrique entrepreneuriat d'aujourd'hui nous amène à la découverte de la fédération Fenitrapap, qui fonctionne depuis 15 ans avec l'appui de l'association Afrique Verte qui regroupe les femmes des quatre communes de Niamey, de Saï, de Kolo, de Tilaberi et Terra. Notre reporter Hawa Ousmane s'est entretenu avec Madame Fatia Mani, elle est transformatrice et aussi membre membre de la fédération. Une fédération amma tu fais ni trapap amma afrique verte no go giri gana ke da ke inda no gati produit kul kan ji kirgo kan dawo afrique verte kan on a nos bande inda no formation inda no ni dondonan dinda inda no na ir wani haye go kul to so ar gir ga kir hangan kai se gine yen dalla dalla wo kan ar bu kan bi fara mhm, to madalla ir kan da yazi foi wani yazi ki gidan ir kan da tonko kan cimso gani gada ir kan da arom ngam mu arom lokal ir gwanda dage ir gwanda kuskus jeri ir gwanda basi ir gwanda garin dan wake ir gwanda damsigi ir gwanda lamtigi ir gwanda targal targalo ifo biki targalo mo da dambuno ki da gancara gati ir gwanda wotin ir gwanda farin harin shi dan zan kai sai no iga ko kate aga zan ka nafa aga alberi mo nafa da alkaki da jus tantani da neri inga motun guri ne wa ingan moni gidan ce te dambu da gari kafa wani da kullu kan ga ko. To so yanzu ga aran federation na ranki aran ke to yi burmar gen kan gara. Ir federation nya mai gara no mai kobin ta ja gara da sai kolo tilbe gara e tera gara. To aran to girin ga gen kan aran gogoyo irgoyo kan yadda gote irga yara zamir to daman bisa a bisa ba jirwaicin dugu dai zanga suwan silman kai na aran gihin kin na fayin kan do a na fai na ah, fai ba gumo masha Allah zama ro transformation wa wura bonne ni zai higen da rabo arano borga e kollu ruban zan kai se dini muradu tun rano ni gata he alhamdulillah dai ni gani gane koyo wokir gote wallahi irman don da alhamdulillah masha Allah zan bor muradu kurkan ni gata su gorga bor fo batu walla goga te alhamdulillah ir koy dai mutantom to sun aran ne be fawo singi kim sose mm. aran don koy labuwa ne ra koy garan gine talla to wallahi aiwo no man bai ga kwai amma ai cele ra boryan kwai amma aiwo man bai ga kwai ba kefu ai wana dai ga ci nya mai daino da kefu ir kwai fuar ah, d'emploi ai kwai tawa kan arango ne wo borai matan habo iwo ka da himma ga dai wani matan gote ni bai so zamano kan rayu go haya sandai go na fisibi dai dai bor fofo ya dai go ka ga dai C'était un entretien accordé par Fatia Mani, membre de la FENITRAPA, par notre reporter Hawa Ousmane. Marquons une pause musicale Fanta avec du slam, cette fois-ci le titre Premier soir de Altes Slammer et Mounas Kinou. Je vous propose à nos auditeurs. que ça continue. Et tu sûr, ma belle, de vouloir que ça continue. Et tu sûr, ma belle, de vouloir que ça continue. De vouloir que ça continue. Oh, toi, ma belle. Si je te disais la vérité de le premier encart, es-tu sûr qu'on ira jusqu'à la gare? Si je te réponds honnêtement dès le premier soir, es-tu sûr de ne pas m'en vouloir et vouloir me revoir? Je suis fatigué de mentir. Je suis fatigué des menteurs. Si je te disais que tout ce coquillage n'est que pur mirage. Alors que je plane déjà dans les nuages. Si je te disais que tout ce luxe, ce prestige n'est que mensonge. Alors que je disais waouh, cette fois j'ai eu un homme sage. Si je te disais que tous ces artifices, c'est pour te mettre en confiance alors que je vois un homme qui a de la classe et de la romance. Si je te disais que tout ce sacrifice, c'est juste pour le sang. Alors que moi, je vois en toi un homme qui a toute la grâce. Si je te disais que je suis un playboy, un aventurier. Alors que moi, je veux du sérieux, je veux me casser. Si je te disais que je n'ai ni moto ni voiture, je scratch du matin au soir. Alors que j'aime dormir aux côtés non-chauffeur. Si je te disais que je n'ai rien, je suis comme un rat d'église. Alors que j'aime les embourrés de liasse. Si je te disais dès le premier soir que je suis un Yougos. Alors que j'aime les caviars qui dégagent la classe. Si je te disais que je suis chevalier de l'ordre de la galère alors que je veux un chevalier de l'ordre du mérite. Si je te disais que tout ceci c'est d'y paraître et non mon être, es-tu sûr de ne pas disparaître Sur le masque tombé au début, es-tu sûr de vouloir que ça continue Es-tu sûr, ma belle, de vouloir que ça continue Es-tu sûr Si je te disais que je suis un vagabond, un roi de la délinquance. Alors que moi j'aime les hommes bourrés de gentillesse. Si je te disais que je fume, je bois tous les soirs. Alors que les odeurs de la fumée et de l'alcool peuvent m'évanouir. Si je te disais que j'aime les femmes soumises. Alors que je suis une femme de caractère aux mille caprices. Si je te disais que j'aime les femmes naturelles qui n'ont rien d'artificiel alors que moi j'aime les perruques, les make-up et les shopping. Si je te disais que j'aime les plats traditionnels, la foi, kofoi, fakofoi, go koi. Alors que moi j'aime les pizzas, les hamburgers et les glaces. Si je te disais que j'aime dormir sous les étoiles du soir dehors. Alors que moi j'aime dormir sous climatiseur. Si je te disais que je ne suis pas du tout romantique. Alors que moi j'aime la vie à la Novelas et à la Titanic. Si je te disais que je suis un homme d'une extrême violence. Alors que chez moi, j'ai grandi en princesse. Si je te disais que j'aimerais avoir onze gosses, une équipe. Alors que moi, je veux trois excès limites. Si je te disais que je suis un infidèle alors que moi j'aime les hommes fidèles. Si je te disais que je suis le contraire de tout ce qu'une bonne femme veut, es-tu sûr de vouloir continuer Si je te disais que tu dois changer si tu me veux, es-tu sûr de changer Si je te disais la vérité de le premier soir, es-tu sûr de vouloir continuer jusqu'à la gare Si je te réponds honnêtement dès le premier soir, es-tu sûr de ne pas m'en vouloir et vouloir me revoir es-tu sûr de vouloir continuer jusqu'à la gare Es-tu sûr de ne pas m'en vouloir et vouloir me revoir Une très belle collaboration de deux artistes slammers avec des timbres de voix différents évidemment. Dans ce titre, Premier soir, les deux slameurs nous dépeignent la réalité des relations amoureuses de nos jours. Ce titre est ce qu'ont vécu beaucoup de personnes. Voilà, chers auditeurs, euh, dans notre

rubrique éco des régions à laquelle nous allons passer à présent, nous irons à Gobir, dans le Gobir plutôt, à Maradi pour parler des cultures. Oui, Fanta, avec 5000 euh, ans d'histoire selon les études de l'Institut de la recherche en sciences humaines de Maradi, donc l'Irche, le royaume du Gobir transformé en sultanat garde encore toutes ses estimes pour Inna, la princière détentrice du pouvoir mystique de la cour. Yahya le Jean-Journal du Gobir explique le rôle euh, et l'importance de la INNA. Il est interrogé par Mohamed Maman. Inna, c'est la deuxième personnalité du Gobir Après le sultan, c'est Inna qui vient en deuxième position. Inna, c'est une femme prince. On ne peut pas élire n'importe quelle femme sur ce tronc si elle n'est pas prince. Inna, c'est une femme qui est avec le sultan, qui l'aide à réconcilier sa population, qui l'aide à des femmes qui sont possédées par des génies, qui l'aide à des femmes qui n'ont pas où aller s'asseoir. Alors, elle euh, occupe aussi euh, la place de la détentrice du pouvoir mystique, c'est ça Oui, c'est elle qui détient tous ces pouvoirs. Je vous ai dit que eh, les possédés, donc, euh, si on parle de posséder, c'est vraiment de pouvoir c'est Donc, c'est Inna. Comme euh, on l'amène beaucoup de malades qui sont touchés par des génies, donc on l'amène chez Inna. C'est elle qui va s'occuper d'eux parce que c'est elle qui connaît ce volet. Comment on élise Inna au sein du sultanat Au sein du sultanat, nous ici au Gobir, on a quatre familles Yakuba, Gonkawa, Nafata, Jangorza il faut que nécessairement que cette femme-là sorte d'une de ces quatre familles. C'est à ce moment-là, si Inna qui est là, elle est décédée ou elle a démissionné, maintenant c'est le sultan qui choisit parmi ces quatre familles la femme qui veut qu'elle soit Inna. Et encore en plus, il faut une femme qui est possédée elle aussi. Même si elle n'est pas possédée par des génies, il faut qu'au cours de l'intronisation, la semaine qu'on fait, il faut qu'elle soit elle aussi mise à Zurich. Elle a un palais, elle a ses notables, comme le staff du sultan. Nous savons que c'est dans la tradition du Gobir, c'est la culture Gobir. Nous voyons aussi autour d'elle, c'est le folklore de Gobir. Oui, Tant te dit les femmes possédées, c'est les embouris, les Bokaï, tout ça là, c'est autour d'une elle garde toujours euh, cette euh, importance, vu que les choses ont changé, que la modernisation est en train de, de percer. Non, elle garde toujours sa place, ici au Gobir. Nous, on a vécu, on a vu, depuis l'Antiquité, il n'existe et jusqu'à présent elle existe. Et le rôle qu'elle joue dans des années passées, même aujourd'hui, c'est ce rôle-là qu'elle joue. Le seul rôle qu'elle ne joue pas, c'est que même nous, les hommes, c'est la guerre. Il n'a pas en guerre, comme les hommes. Maintenant, il n'y a plus de guerre, il n'en parle pas en guerre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crainte pour votre culture que euh, cela disparaisse Non, il n'y a pas de crainte. Si ça disparaît, c'est autre chose encore. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Voilà, chers auditeurs, si vous venez de nous prendre en cours, c'est l'heure du sport et nous sommes en compagnie de Adam Sariou, notre chroniqueur sportif du jour. Bonjour Adam. Bonjour Ruki, bonjour Fanta. Bonjour Adam. Alors, euh, on connaît le premier finaliste de la Coupe nationale 2023-2024, n'est-ce pas Eh bien oui, Fanta, il s'agit de l'AS Fan qui a validé son ticket pour la finale malgré une courte de fête à 2 buts à 1 face à, l'Urana FC Dalit ce mercredi 11 juin. Les, les, oranges et noirs des forces armées nigériennes ont profité de leur large victoire à l'aller pour se hisser à la dernière place, à la dernière étape de cette compétition. La seconde demi-finale va opposer l'Union sportive de la gendarmerie nationale à Wombe FC de Maradi. Au match aller, les gendarmes s'étaient imposés sur une large victoire également de 4 buts à 1. Merci Adam. Parlons à présent de la 30e journée de la Super League du Niger. Eh bien, cette 30e journée et surtout marqué par la bonne performance de l'AS Garde nationale qui a battu le Jongorzo FC sur le score de 7 buts à 1. Grâce à cette large victoire, l'AS Garde nationale reste la seule équipe en tête du classement avec 60 points. L'AS Fan qui la talonne juste derrière avec 57 points et l'AS Nigelec troisième avec 53 points. En bas de tableau, dans la zone de relégation, nous avons le Liberté FC, le Tagour de Dosso et la Koukana Football Club d'Arlit pour terminer, on connaît désormais la date hein, du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Oui, Fanta, l'annonce a été faite hier par la Confédération africaine de football. Le jeudi 4 juillet 2024 est la date du tirage au sort de cette éliminatoire à Johannesburg, en Afrique du Sud. À l'occasion de la 35e édition, 48 nations dont les quatre vainqueurs du tour préliminaire, à savoir le Tchad, l'Estonie, le Libéria et le Soudan du Sud, seront répartis en douze groupes de quatre équipes. Chers auditeurs, c'est tout pour l'essentiel du sport. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup, Adam. Chers auditeurs, nous allons enchaîner après le sport avec le portrait du jour. Ruki, tu nous présentes qui ce matin Le portrait d'aujourd'hui, Fanta, nous conduit à la découverte de Bouli Hamadou, native de la région de Tilaberi. Enseignante à la retraite, aujourd'hui, Bouli Hamadou a intégré les groupements féminins qui militent pour le développement communautaire de cette zone. Moussa Hassan nous dresse son portrait, on écoute. jirori cindin kai zano isa ta cinya buri hamadu wo tilberi ganda borno ke wandi ko ka antare antara banda na foro we ta sat satera yi wo enseignateur so i retraité wo idin banda goy sai sai kala idai ne windo raga barbar kan dai groupe wai wora kir godo nongo fo formation to ni ni mu irum koy muradu fo to groupe mai maga i mi ke mu koy wallahi du na fo bobu zan bon fera hin na wasa bon fera banda mo da bor koy bor sa kan bo ko nugudu haifo haifo kan muradu zubu bu na feri amma bon fera de bero kan iru duwara da mi bon feri la umo dan ka formation ko kullu barko barko maradi en ko zandar bodino ngubo kan sibai to wallahi irwo kai aiwo president no ma. ay man bay ga formation te burkulsi ir group ma ado zuba yan irga te samdi ga ka samdi ir irgo zuba te zuba ir no rodin kan gur se ga mar go ga char garwara da bora garwa ta kan lokaci ka to bora ba bana ir irte lokaci ga jine yan dai ga kan de ir ga dan bor char ga ya din da mil siri bo bo da waran ka wai ta ci wai gumi alhamdu go bu wal bara duwa lokaci kuma da sai mena bono ne dan da sai mena ka bono dan da bora bana mu wai gor waran ka da kirse irmi ga sabuno ro ga ga dai ka fai bor fo yan adi ya da jama'a kulmu do tangar yan tasa yan falau yan ya ne a hawa adamu bul hamar goroksin fo salan yirse han na bon awoga a agoyera ah, alhamdulillahi rabbil alamin irko mir moran di biliso wallahi problem kusino ai won ya dai ne diniyo sisibidillahi miro gare ni ke zurai bon matka na ke zurai bon kai wallahi mo dai ke zurai bon dai zangai dai zankai zangai da hayyan no hay kulkan no wallahi ngano alhamdulillah irko sir margasai manti bere boy won yana di atanga mota aliku sara irko min nara dogonai kalir ko min no suro kan ga chargaye o dum suro hay kul kan sur sara ngan yam kulafo suro dai nir gaba ir ko min no suro kan ir ko yam mamar sallallahu alaihi wasallam gaba ir ko mir mononda ir ko sir ganga o alhamdulillah ay man dia gorara problem kulu kuro me mera walakin se yose matibor fose bo ayo ko ikoy mano suro tonto dinga do te tara alhamdulillah buli hamar go gujin da nijel labi zai kulga im kokari kamba dan labo za de ngora irsu bambu rise wanu wana im gor kam kolin tangam kun zama no kan bukoli yan gono no da bon ne nam goro kan bukoli ya kai radi bubu ga deji goyini ya dinga borum tunni bonga ga keki ir koy mi dini sai mu dugo kan ga hin go gun muradu firi amma goy batu yan hun kun ba bore kan kyau yan bere te igo ga kyau no da mata bora ga de bure ga zurgu ni no wa Nigeria bora go di zurgu windi prive ra bora go go yo aga gabu so ya ce ne aga ka amma walla aga gabu da bora din go ra batu ma ga fargan da batu buli wodo go hinno go borka tibi go yam mursino go kunno si borfuru Voilà, fidèles auditeurs, une autre tournée musicale avec le titre L'enfant de la patrie de plusieurs artistes nigériens. Imperial Music. On vit pour le pays, on vit pour nos enfants, on vit pour nos parents, enfants de la patrie, on vit pour le pays vit pour la devise, on vit pour la couleur. Enfant de la patrie, enfant de la patrie. après cette parenthèse musicale pour retrouver les femmes du studio Kalangu dans le loti du jour. Fanta de quoi parle-t-elle ce matin Aujourd'hui, Rukaya, le loti, c'est une discussion entre toi et Rafika Atahera et vous nous édifiez sur des astuces qui permettent aux femmes d'avoir un très bon teint sans utiliser des produits éclaircissants. On écoute. mana kai mu lottin se mate lotti si ba mu re de ma hmm irwai bore tus tuso ga dai ne go fungu choro matu no irgi te girga ha mai wa hanse kan man tundu no rubo buwiya ni walla ga cim choro bobo gona kan ni si bai matkini da amma bor kan si bai si bai daino. ni bai wala han kan ni dile mu kai na follon kowo dinna murgun dayu ga tusin mundu maga toni mondo maga yutuno muluk wala mo nimdu nigi cire ga tusin ga hamo ga ga surace wato ga nimu koi ga nyumai aha son wodi hinna na wasa hankana man ban nimu ye ga du hawa koi na kan ni ga dan habuga nimu so bai ga tusin mondo maga wala mo koi na nimu du ni bulangaji wala hilba giyo karra ni ga sukar kai na lotti ni maso bai gin ga hamo to choro dinna wadin kulte ni ga di mamaki hano din hano wo kai dai mai gida ni no hukunci <laughs> ah to ya dinga borum kaga haudan boraim su bornan banda oho me aman bisa ni mu rubo boba danga ga ham gidai kangin barau aminu mondu ma ton go kukura ni se ni ga sun gai be na danganda ni si borai borai si min ni ko dai borwa borai wallahi <laughs> loti, chers auditeurs, on passe à la culture linguistique. justement, Rukia, nous sommes avec Alamine Ouachar qui va nous édifier sur le mot sacrifice en français en tamashek. Bonjour Alamine. Bonjour euh, Ruki, bonjour Fanta. Oui, c'est les sacrifices, euh, donc euh, c'est la fête. On va parler de, la fête de Tabaski. دات la fête أداغي تاوك زاما إيهروان يعني يدي زما ويدنا جغولني مرنا موصرتي وارنا كن نسلم إيلان تلا إيلان فريقت يعني ند لا داغي ناس زنزا أجغولي زم دغادي تفاس كي ورتقي ريلان يورني لا ورداستي سور الله أمك وستنا النبي صلى الله عليه وسلم إن أكن نسلم دغال أمتني يكزام فلاس يقا فلاس تفاسكي دغادي أسورتي لا غاستي تفاسكي ودي وركيت وير فلا سيجت النبي صلى الله عليه وسلم يا الأمة النسلم كل نسن أما كوين دا غيناس أما كو سيجلا أزدي فلاي ودنا مود وأن العيد أنت دي كازم تفاس كانت ورتتي قزم دات الوق والنمود أردم ودنيتي دا دغادي أرد وزقرينيتي دن أستفاس كيتو موصر الدغ جيلان يصوهن يموصر دغا تقتاوين تصوهن دغن إسلام إيجي صورتو ويراري لان فريقت يورني لا فريقت ورتسوار الله آه، وريلا فلاسين آه، مك وستن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وعليها ما اكتسبت ورسوار قدم وليا آر ويفرق ورتسور آه، وريفرق دغا دينير توزا نقرو أس أموت يموس ردغا جيلان دغي تقويدا أنموت نقمان تصورف تنموت نيكي ميدا ونتي ويسسن الزيارة دغادي تفاس كيتل المعنى هولين إيجيس المعنى نتوازورن الدحاية تزا تجا يعني تزقزم تزا تجا تزقزم تزا تمو صرت أداك زي قلن السباب نيجوز نلجنة تمو صرت دي ناس أستوتجي أكن ننزاد أنت خسيتا تجزما أداك تبا الله أمر كيدني دا ديروك دا وانا أرتوانا دا وانزلنا صرت ويقلنا تفاسكين Hmm. Alors, tu as répété plusieurs fois Zigzim là. C'est sacrifice. Oui, sacrifice. Zigzim. Ok, Merci beaucoup Alamine pour tes explications. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en Hausa, en anglais, en tamashek ou en fulfulde ou en zarma, n'hésitez pas à nous laisser un message vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et justement, Fanta, il est temps pour nous d'écouter les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. lokacin na na rahila usman hango balla yara ai niger sirkalango hanga e mi sen ai gonda bon fere gumo zama ai godu ai godu fahama yara e gono labar tabbata inta zan kai bon wai borai bon da furta gei bon wai borai sigiro atlata furta gei ga ham zingen dia asub niger kalango e ga zalen di ga koy jumma guruwai cindi fo kalam koy guruwai cindi hin kana ba to ai go ga ber kango go nyamai fo kam mahamman usman kan sigine gambo ai go bora me ami fo kango balle yara ai no muktar abdullahi no balla de ne goda ma ai kwara de cibilbeli ai ga hangan lorman la ba tabatanti ande ni go salangri sera de er ko tala min no ar wallahi agtir se wo boray sigira agtir se zan kai sigira agtir se won ko ci jira e alhamdulillah dai nizar sid karangu ci jaro ke kigta tin kul ko arzuma go gani hangan logo ci kulir gani hangan no furta je bon gam zinjen le mo sibiti hane go de sabiyan taranga abi ne to go balla yara mervo kai da borgo sidaino irgo char jarga nyanga imali fo ke gonde tebur aigo iliasu gubais fo mur ker kurnye aigo ado il kain fo ke sigine adamu aigo gan fo gan yirbani husaini agozum baleyara aiga hangan asta jokalangusi studio kalangu rajuno kan gonda famai a gonda labari yan ka gato nan di borai da kan yan ka te e, e, hayan kan ga borai ga hanganisi ai wodin agira hayan kan ga bon ferai no borai si irga hanganisi zama ga de rajo kan ga hayo bobo fo margo margo na wano kan igate haywana ga salan an dunya bon iga salan da ko iranda charan borai da kan ga te an dunya rajo hanganisi igate lendin vendredi gurwe cindi fo ko e, midiga way borai si jiro ثلاثة حننيقات وشير كامبورانغامو فرطة جيغا همزين ديانو سبت حننيقات أيغا سلام تمدري أبورا فوغانغو حل دم بنجرو أشخ نيغا ناسي أشخ ابنني آدم ألما مونغا غو نياما ينغم بومبون فارماسي بورا هنكاغا ياكو وندا دادا أيغا سلام بريفي زينفو كان فاتنيو كان حميدو زبو كتما أيشي بينان كاغو ناكو سريغ على غيسة مكيري آنان تانا تاكا نيكي إسد ديجي سواتا زواغا وإدا سكي حد أم مسمم أتاري دا استيديو Radio kalangu wato ma'aikatan fm da margu da muke tare su a nan tanan muna biye da ku sau da kafa musamman a shirye-shiryen ku wanda ban mu gane komi abin da ke tafiya a ƙasa amma kuma ta hanyar studio kalangu yau kam ya waye musamman bangaren kiwon lahiya da kuma wasu abubuwa wanda suke damu mu kamar harakan noma da kiwo da makamantansu wanda abubuwa ne wanda muna cikin jahilcin su amma ta sanadiyar a studio kalangu yau gaskiya komi da komi na tafiya daidai da haka kuma ina so in yi amfani da wannan dama ta hanyar studio kalangu in gaida abokan aiki na wa'inda muke tare da sunan tanit ka kama daga galli makeri da kuma ismail makeri da kuma san malam san da baguburi da ke laska gusum da bin gisar fatara shi zuwa garisa da kuma mamman mu ko kuma in ce yayan mu hajiya fatima da kuma wata ana ce mata wadda muna haduwa da su sosai sosai ma a cikin shirye-shiryen da rediyo da mulki take gabatarwa wato ana ce mata ana kalu na gaishe da ku sosai sosai su da margo moru wala kane sai zama albare ki gnon mati kuno go gano gse kane se papa papa wala ir sabi sai mo iko kane mu konde di gine daga ambani inda kul ayu ay manyo ya wasan kire ra de wallahi afakara akan borsa agogo no bon fer gum gum o irgo sabu agotere kul marganta sai timin tonton gei gei si jiro dun kiwo tebore si mun tonton haga irwo yittal ka gindo bon fere Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Fanta Chamsou et Ruketu Abdraman. Le plaisir était grand de partager ces moments avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau numéro. À la technique, c'était Seine Isaka et à l'édition Adama Dewachi. N'oubliez pas nos éditions en 5 langues à partir de 17h. Très bonne journée à tous. Le rendez-vous est pris plutôt pour euh, la semaine prochaine avec un autre numéro. En attendant, excellent week-end à vous.